le forum du studio le forum du studio Kalam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h, passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord l'évolution de la maladie à coronavirus Covid-19 au Niger. En seconde position, nous parlerons de l'insécurité avec les attaques terroristes contre les forces armées nigériennes à Tamalaoulaou, département d'Aba et de Bani Bangou. L'actualité, c'est aussi le message à la nation du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion du 9e anniversaire de son accession au pouvoir. Pour analyser ces faits, nous sommes avec Elhaj Mahamadou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaj Mahamadou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Rufai Dandoua, journaliste freelance. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par l'évolution de la maladie à coronavirus au Niger COVID-19. Le Niger a enregistré 64 nouveaux cas positifs au COVID-19 dont un cas dans la région de Tilaberi et un autre dans la région de Tawa. Selon le communiqué du ministère de la Santé, il s'agit des cas révélés par les examens virologiques des prélèvements effectués les 4, 5 et 6 avril et dont les résultats sont parvenus le mercredi 8 avril 2020. À ce stade, 342 sujets sont déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 303 en cours de traitement, 28 sorties guéries et 11 décès. Le ministère de la Santé précise que l'état de santé des patients pris en charge est stable. Alagi Mohamed Souleyman, que faut-il dire ou retenir au sujet de l'évolution de cette terrible maladie euh, il faudrait que la situation est très préoccupante euh, euh, dans la mesure où aujourd'hui, si les régions du pays sont atteintes, il ne reste que maintenant la région de Difa et d'Agadez qui ne sont pas donc, atteintes. Cela, cela veut dire que franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, selon des données statistiques officielles, le Niger est le dixième pays en Afrique, euh, euh, parmi les pays les plus touchés, nous sommes dixième. Euh, certes, les experts expliquent cette situation par le fait qu'on a pris donc qu'on a mis en place des dispositifs donc de dépistage à, temps, ce qui permet effectivement eux aussi la sensibilisation, donc qui permettent aux uns, en tout cas aux autres aussi, de se déclarer ou bien en tout cas au service donc de santé véritablement de dépister en temps réel donc euh, les cas. Euh, mais euh, quand vous voyez, malgré la mesure de confinement, j'allais dire de couvre-feu à Niamey, on se rend compte qu'aujourd'hui, donc, il n'y a que deux régions du pays qui ne sont pas concernées. Donc cela est très inquiétant. Alagé Mahmoud Souleymane, que risquent les Nigériens, les populations nigériennes dans les jours et mois à venir ce que on ne peut que demander avec insistance aux gens euh, vraiment d'être disciplinés, de respecter les mesures de l'OMS, en tout cas des autorités sanitaires, parce que simplement, euh, au regard de nos habitudes, à savoir que l'hygiène, ce n'est pas notre première qualité, euh, à savoir que nous avons des habitudes de promiscuité, nos, fêtes, nos, nos baptêmes, vous voyez, malgré tout, c'est-à-dire que quand cela euh, véritablement arrive au, village, le danger c'est que franchement euh, euh, on risque gros. Donc ce qui fait que vraiment il faut insister. Il faudrait les gens que se disent que le mal est là. D'autres pays avant nous ont été durement frappés. Aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, parce qu'au départ, les autorités avaient négligé. le président américain parlait de virus chinois. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde entier, ce pays est plus frappé, en tout cas, euh, que, les autres. Donc, c'est-à-dire que euh, nous, on a eu la chance, en tout cas, en temps réel, les autorités ont eu le bon réflexe euh, de demander aux gens il n'y a pas de remède, il n'y a que la prévention. Alors, Mahmoud malgré toutes ces mesures, il y a certains qui ne croient jusque-là pas à la maladie. Mais absolument, c'est cela qui est inquiétant. Pourtant, on a constaté euh, des morts. Mais vous savez, c'était la même chose avec l'arrivée du sida. Il y a des gens aujourd'hui encore qui ne croient pas. Donc, euh, véritablement, on ne peut rien contre ceux qui ne veulent pas entendre, contre ceux qui ne veulent pas voir. Mais une chose est sûre, cette maladie, elle est réelle. Elle a quitté un seul pays du monde aujourd'hui. Elle a fait le tour du monde entier. Donc, il n'y a pas de spéculation ceux qui ne veulent pas comprendre, il faut les forcer à comprendre, ou du moins, il faut les condamner par la force, justement, à observer la discipline. Parce que là, vous voyez, la situation, les médecins, en tout cas les experts, disent que euh, si seulement on respectait en tout cas les, mesures données, on peut se mettre à l'abri de la maladie. Mais lorsque, même en tout cas nous, les religieux, le disent que le fait d'affronter, de ne pas en tout cas respecter les mesures euh, donc euh, barrières, c'est comme se, suicider. Donc même nos, la religion en tout cas ne nous autorise pas à être irresponsables face à une telle maladie. Malaji euh, Mohamed qu'est-ce qui explique euh, cette euh, propension de la maladie euh, au Niger pas seulement au Niger, c'est dans le monde entier. Il y a plus de 300 cas, il y a plus de 300 cas au Niger. C'est virus, pour vous dire effectivement, la thèse des, experts qui commencent à dire que le Niger, on a euh, en fait détecté beaucoup de cas parce qu'on a mis en place le dispositif. Parce que, comparé le Niger à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, en termes de flux, en termes de nombre d'avions qui atterrissent, parce que simplement, en fait, le Niger, euh, on a pris des dispositions. Donc, et aussi avec la sensibilisation, les gens arrivent, à, donc, on arrive à, détecter donc, les, cas. Mais ailleurs, vous regardez un pays comme le Nigeria, grand qu'il est, mais parce que simplement, euh, j'ai vu les gens qui disent que. Alors, officiellement, on a plus de cas au Niger qu'au Nigeria. Justement, parce que, en tout cas, l'explication la, plus rationnelle, en tout cas, c'est de dire qu'au Niger, on a eu à prendre des dispositions, à mettre en place des dispositifs, en tout cas, des dépistages à temps. Maintenant, euh, on va voir. On a vu certaines spéculations tendant à dire que non, le pouvoir voudrait se faire de l'argent. Euh, voilà, non, franchement, il faut éviter toute spéculation. Cette maladie, elle est réelle le monde entier aujourd'hui en souffre en, termes de victimes. Et ce qui doit nous interpeller davantage, c'est que ça vient d'abord des pays euh, puissants ou supposés comme tels. Et on se rend compte à l'évidence que si cela devait se développer, en tout cas chez nous, si on ne fait pas attention, on risque vraiment la catastrophe. Issa Madougou, une opération de collecte de fonds est en cours pour aider le comité mis en place dans le cadre de la riposte et de la gestion de la maladie du Covid-19. L'État du Niger n'a-t-il pas aujourd'hui les moyens pour mieux faire face à cette pandémie euh, Écoutez, Mokhtar, moi je pense que cette situation, en fait, c'est qu'il faut déjà donner euh, le temps avant de demander. Moi, de cette façon, chaque fois de dire on fait appel à la solidarité nationale et internationale, c'est à l'État d'abord de montrer que l'État, malgré ses, la faiblesse de ses moyens, peut faire des actions. Mais dans ce cas, chaque fois, il faut dire que nous, les autres. Au premier on a vu dans d'autres pays. C'est ce qui est frustrant dans cette affaire, des pays qui si réellement ce qui le Niger est. C'est le pays qui ne dépassent rien. Mais nous, quand on prend avec les chiffres, c'est des pays qui nous dépassent en rien, même en termes de ressources, aujourd'hui, et ces pays-là arrivent quand même à financer une bonne partie de leur temps de riposte. Alors, le Niger, pourquoi chaque fois, il faut que dans des conditions pareilles, il faut que le Niger soit. Aujourd'hui, même ces barrières-là se Aujourd'hui, vous avez vu comment cette maladie a été transformée en autre manière par une tentative de récupération par des forces impérialistes. Vous avez vu la, la prédiction apocalyptique la que qu'ils ont fait sur l'Afrique par rapport à cette maladie, pourtant les chiffres ne montrent pas. Les chiffres montrent réellement là où la est en train de se dérouler. Nous, aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est de faire adhérer les populations. Nous avons une population à forte analphabète. C'est ça la difficulté dans nos pays. C'est faire comprendre à ces gens que vraiment cette maladie, c'est une réalité. Et puis de même, qu'est-ce qu'il y a à la base de ça C'est qu'il y a cette rupture de confiance entre le gouvernement et les gouvernés. C'est pour cela que les populations ne croient plus. Parce que à, des, à à des moments où il fallait que le gouvernement dise la vérité à ses gouvernants, les, les gouvernants n'ont pas ce souci-là d'être francs avec ces populations. Et voilà que devant le pire, quand ils sont francs, les populations ne le croient plus. Aujourd'hui, comme vous voyez, à moins d'un mois, c'est moins d'un mois parce que le Niger a confirmé son premier cas le 19 mars. Aujourd'hui, on est le combien Le 10 mars, le 10 avril, du mois, excusez-moi. 10 avril, on a dépassé la barre de 250, on est dans les 300. Donc, voyez-vous un peu la situation. C'est quand même, ça devait nous interpeller. On sait, certes que notre, pays n'a pas de moyens, mais quand même, on peut retrouver l'argent un peu partout en réduisant le plan de vie de l'État. Il faut couper, certains des coupes, opérer des coupes budgétaires, opérer des institutions inutiles qui ont été créées depuis des années. On ne voit pas véritablement le travail. Pourquoi insister alors il faut faire des tableaux pour dire aux partenaires nous avons besoin de cette somme, nous avons besoin de cette Nous coupons d'abord ici, montrons la voie. Quelle solidarité Et d'ailleurs, le Niger l'histoire a toujours démontré que chaque fois qu'on a une situation où on dit appel à la solidarité, les fonds sont utilisés autrement. Ne soyez pas surpris que se disent Dieu nous fait longue qu'à la fin de cette période difficile, on parlera du Covid-19 voilà un peu, il y a des situations qu'il faut combattre. Même dans les, situations chaotiques, il n'y a pas cette sincérité. Franchement, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui démontre aujourd'hui par rapport à la propagation de la maladie euh, elle-même. Ce qui démontre que le Nigérien aujourd'hui, ce n'est pas ce type de Nigérien dont qu'il nous faut en 2020. Nous avons un problème en tant que Nigériens. Il faut que nous revoyions nos comportements. Il faut que nous incarnons les valeurs là, qui caractérisent le Nigérien d'avant. On doit être ce Nigérien modèle. Aujourd'hui, face au pire, les gens refusent de changer. Aujourd'hui, toutes les régions pratiquement, il ne reste qu'à cadrer des gens qui ne sont pas contaminés par la maladie. Et quand vous verrez tous ces cas-là les explications, les gens sont venus de Niamey. C'est Niamey qui est le plus Et Il faut de constater qu'à Niamey, les gens ne respectent pas. Ils quittent aujourd'hui, même que Niamey est en isolement les gens sont en train de voyager pour aller dans des campagnes, trouver des gens que même dans leur pays, avoir un comprimé de paracétamol pose problème. Vous voyez l'irresponsabilité de certains de nos concitoyens. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre à danger des milliers de gens. Quelqu'un qui a gagné, qui ne prend même pas soin de, respecter les mesures primaires de prévention, à savoir le lavage des mains, l'utilisation des bavettes, qui à partir durant tout un bon moment, il ne sait même pas qui il a côtoyé. Aujourd'hui, cette personne lève, d'une manière frauduleuse en, en, en prêtant des, des, des, des, des bus qui font de la France pour aller en campagne. Issa Madougou, quelles sont euh, véritablement les attentes des Nigériens dans le cadre de la riposte et de la prise en charge euh, de la maladie La prise en charge aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de faire Vous le savez très bien. Si vous avez écouté le Premier ministre, le jour où il a visité l'hôpital de, référence, où il a fait un tour au village chinois qui, a, été était en, euh, à, réflexion les Qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit clairement que le Niger n'avait pas, en ce moment, le Niger n'a que, on compte, euh, euh, si j'ai bonne mémoire sur la région de Niamey, rien que 11 000 d'asthèses respiratoire. Pourtant, quand on sait que la majorité des cas déclarés à travers le monde, le coronavirus a plongé les patients, les patients dans des situations d'insuffisance respiratoire. Alors, c'est ça que moi, je pense qu'il faudrait communiquer. Le média n'a pas les moyens, il faut le dire clairement. Mais quand même, il faut communiquer d'une manière à faire adhérer les gens, parce que c'est seule la prévention. Aujourd'hui, même le protocole, c'est le seul pays où aujourd'hui, il faut aussi dire, il faut décrire cela. La communication, elle n'est pas du tout au rendez-vous. On pas pas quel genre de communication. Quand vous regardez les autres pays, c'est parfois c'est des genre de réflexion-là qui que même les Nigériens. En quoi tu ont ça Ce sont des unions comme nous. Quels sont les moyens qui disposent que nous, ne disposons pas pour qu'on ne puisse pas faire comme eux Même la communication aujourd'hui. Il faut ça... communiquer sur protocole. Le protocole qu'on utilise là, il faut qu'on dise aux Nigériens, voilà quel protocole. Mais on dit que non, il y a un protocole qui dit, on dirait que c'est le même médicament. Non, il faut que la communication elle doit être vraiment très de façon qu'elle puisse faciliter la compréhension et au-delà de l'information, que ça puisse être un moyen d'éducation des, populations. Parce que c'est la communication qui est dans cette faillite. Aujourd'hui, il y a une faillite qui est là de, communicationnel dans cette affaire de coronavirus. Issa Madougou, restez en ligne, le temps de donner la parole à l'AG Mohamed Souleymane. Vous venez là d'écouter Issa. Issa, lui, ne pense pas que les autorités nigériennes puissent disposer assez de moyens pour faire face à, cette maladie. Comment rectifier le tir Vous savez, moi, comme je l'ai dit au début, euh, aujourd'hui, c'est une certaine expertise. Euh, qui dit que si on arrive à détecter des cas, c'est parce qu'au Niger, on a eu à mettre en place euh, un dispositif de, dispatch en temps réel. Et effectivement, on ne peut pas reprocher aux autorités nigériennes de n'avoir pas quand même fait ce qu'on doit faire. Euh, ça, les faits le prouve euh, en temps réel. À un moment, les gens avaient commencé par critiquer pour dire qu'on commence à prendre des mesures alors que la maladie n'est même pas encore arrivée notamment en ce qui concerne les mosquées, donc les, les, prières. Bref, euh, vous savez, euh, nous sommes un pays, il ne faut pas le nier, fragile a priori. bien avant ça, chaque fois, euh, dès que nous avons nos propres défis, on fait appel justement à, à l'extérieur. Ça, c'est pas seulement notre pays, c'est très malheureusement cela. Euh, les moyens sont très limités, on a des besoins euh, euh, infinis. donc, on peut faire, en tout cas, avec, avec nos moyens. Je pense que le gouvernement a conçu donc, un dispositif, en tout cas, de riposte qui a besoin d'être financé. L'État va faire ce qu'il peut, mais aussi on demande la contribution des partenaires. Hier, en lisant une tribune de l'ancien ministre américain Eric Singer, qui est comme une sommité, effectivement, il interpelle le monde sur cette situation. Il va falloir organiser la solidarité internationale. Il ne faudrait pas que chaque pays euh, se comporte de manière isolée. C'est un problème non mondial. Il faut chercher à la solution euh, au, au plan, en tout cas planétaire. Et effectivement, il interpelle l'humanité. Faisons attention cette maladie, euh, je pense que quand vous regardez de la façon qu'elle s'est introduite dans le monde entier, je pense que ça doit interpeller tout le monde, et notamment les puissances du monde que il faut savoir que tout est relatif. Par conséquent, les ressources disponibles à notre portée à l'échelle humaine, il faut savoir euh, les redistribuer, en tout cas, assumer la responsabilité assumer la responsabilité Al-Hajj Mohamedou Souleymane. Rufai Dandoua, à la date d'hier, 342 sujets sont déclarés positifs au Covid-19, euh, parmi lesquels 303 en cours de traitement, 28 sorties guéries et 11 décès. Quelles sont les attentes des populations des Nigériens dans le cadre de la riposte et la prise en charge euh, de cette maladie Merci Mokhtar. Euh, je pense que déjà les attentes, euh, comme vous l'avez dit dans la prise en charge, c'est que les fonds qui seront collectés ou qui sont en train d'être collectés soient bien utilisés. Il ne faut pas qu'après, parce qu'il y aura, quoi qu'il arrive, un après coronavirus, il ne faut qu'après qu'on rentre encore dans une histoire de détournement de fonds. Aujourd'hui, il y a une solidarité nationale qui est enclenchée suite à l'appel du président de la République. Les gens sont en train de contribuer par millions et par euh, euh, des, objets aussi qu'ils donnent pour qu'on vienne en aide aux nécessités. Euh, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant aussi et qu'on soit vraiment et qu'on ait peur de Dieu pour qu'on ne rentre pas dans des histoires qui vont encore amener la polémique. Sinon, j'ai écouté tout ce que mes prédécesseurs avaient dit. Je pense que autant on peut dire que le Niger avait pris de l'avant un moment avec déjà le premier message à la nation du président lorsqu'il était sorti pour euh, attirer l'attention des gens. Autant dans la communication, on se rend compte que ça a été à la Bobale et ça a été à l'importe pièce On a fait tout et son contraire jusqu'à ce qu'un un moment les Nigériens ont commencé à se dire, mais arrêtez, qu'est-ce qu'on veut nous faire croire Est-ce que euh, réellement cette maladie existe Et à un certain moment, certains Nigériens ont arrêté même de croire. On avait comme si l'impression qu'on voulait coûte coûte et qu'il y ait un cas au Niger et les Nigériens ont arrêté de croire. Et ils ont arrêté de croire quand, on, par exemple, on leur, dit, écoutez, on vous empêche d'aller à la prière, mais on laisse le marché ouvert. On vous empêche de sortir la nuit, mais on vous dit d'aller vaquer à vos occupations dans la journée. Personne aujourd'hui ne peut vous faire comprendre comment on peut sortir de la matinée et de la soirée travailler et la nuit vous restez à la maison. Vous voyez toute la communication eh, qu'il y a eu toute la stratégie qui a été menée et aussi la stratégie du ministère, la stratégie communicationnelle bien entendu du ministère qui à un moment euh, lui-même il était toujours sur la défensive et on ne savait pas ce qu'il qu'il voulait dire, on on ne savait pas ce qu'il voulait faire croire aux gens. Autant moi, je pense que c'était bien les, premières mesures annoncées par le président de la République. Autant, pour ne pas me répéter, je pense que eh, la communication a failli. Mais sinon, c'est une maladie mondiale, c'est une pandémie qui, comme elle a été déclarée par les Nations Unies, et des pays comme le Niger eh, ne peuvent pas faire face à ça. Il faut d'abord la solidarité nationale et aussi la solidarité internationale. Mais eh, il faut euh, qu'on soit vigilant, il faut que la population euh, qui euh, ne croit plus en ses dirigeants, parce que c'est à cela qu'on a, c'est là où je rejoins Issa quand elle parle de ça. C'est une population qui ne croit plus à ses dirigeants, qui pense qu'à chaque fois que les dirigeants euh, parlent, c'est du mensonge. Donc aujourd'hui, s'ils sortent et dire la vérité, s'ils sortent leur dire la vérité, ils vont penser que non, c'est des gens qui ont l'habitude de nous mentir, c'est des, gens qui ont l'habitude de, nous dire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, même si c'est la vérité, quand elles sortent pour, dire ça à la population, les gens vont dire, eh, laissez-les, ils ont l'habitude ça. Donc, je pense que c'est tout cela qui fait qu'en sorte aujourd'hui, entre le 19 mars, euh, jour de la déclaration du premier cas, et aujourd'hui, on est à près de 300 cas. Je pense que c'est énorme. Et dans, dans l'entretemps-là, puisque quand vous prenez certains pays, on a dépassé certains pays largement de l'Afrique qui, était, qui avait déjà connu leur cas. Et aussi, ceux qui n'avaient pas, euh, ce que les Nigériens n'avaient pas compris, c'est comment on pouvait ne pas avoir des cas de guérison alors que pays avaient des cas de guérison. Et là encore, c'était un, problème. De... Pour en tout et pour tout, il y a 28 euh, patients qui sont sortis guéris. Oui, justement, il fallait sortir avant pour expliquer aux gens, voilà comment, dans, quel mécanisme et à partir de quel moment un, un patient qui a été euh, déclaré positif peut guérir. Euh, les, les, Chinois, quand ils avaient fait l'estimation, ils disent c'est entre 17 à 21 jours. Et ça, on n'avait pas fait comprendre aux Nigériens et les gens se disaient, mais pourquoi il y a des guérisons au Bénin, il y a des guérisons et euh, au Mali, il y a des guérisons un peu partout et nous, chez nous, pas de guérison. Alors qu'on n'avait pas eu le premier cas euh, de la même manière. Si on était sorti pour expliquer aux gens de cette même manière, les gens allaient comprendre. Donc, si, en bref, pour me résumer, vous voyez que partout, à tous les échelons du, processus de cette euh, euh, pandémie, au Niger, il y a eu un déficit qui a fait faire croire aux Nigériens de ne pas accepter. Et aujourd'hui encore, malheureusement, il y a des gens qui ne croient pas. Même certains médecins, même certains infirmiers, moi j'en ai vu certains qui disent que eux-mêmes ne croient pas, c'est une maladie comme une autre et on peut guérir sans aller se déclarer. Parlons à présent de l'insécurité au Niger. Dans un communiqué publié vendredi passé, le ministre de la Défense nationale a annoncé qu'un accrochage a eu lieu le jeudi 2 avril 2020 à Tamalaoulaou au département d'Abala, région de Tillabéri entre euh, des éléments euh, des forces armées nigériennes et euh, des groupes armés. Selon le communiqué, quatre soldats sont morts au front et 19 blessés. Du côté des assaillants, 63 ont été neutralisés et des motos et matériels saisis. Issa Madougou, avez-vous d'autres précisions ou d'autres informations au sujet de cette attaque ben, Écoutez, cette attaque, il fallait que les gens s'attendent parce que comme leur nom l'indique, les forces du mal, euh, vous pensez qu'eux, ils sont dans la même posture et dans la même situation de, hantise face à la maladie à coronavirus Non, pas du tout. C'est pour cela qu'il faut saluer aussi la bravoure des, éléments qui ont pu vraiment riposter et qui ont pu tuer une soixantaine de, forces terroristes. vous avez vu, dès le, week-end, le chef d'état-major général des armées s'est rendu sur les lieux pour le féliciter. En gros, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la situation sécuritaire Vous savez bel et bien que dans cette zone, ces gens-là sont dans une autre dynamique. Depuis fort longtemps, on ne cessera de le dire. Eux, leur dynamique, c'est de faire disparaître dans cette zone qui couvre la frontière nigéro-malienne, la frontière nigéro-burkinabé et la zone des trois frontières qui regroupe surtout toute cette bande-là qui va de la zone de lutah Kourma qui vient s'étendre vers l'Azawad nigérien et, et malien. Ces gens-là, ils sont dans une dynamique, ce qui veut dire que leur projet n'a jamais été en stand-by. Ils ont voulu profiter de cette situation et fort heureusement, les, forces de défense et de sécurité n'étaient pas endormies. Ils étaient aux aguets. Puisque vous vous rappelez, bien avant, il y a quelques semaines, la force conjointe du G5 Sahel avait mené des opérations dans la, dans la zone des trois frontières où ils ont pu libérer même des, des, gens qui ont été n'avaient pas de force et détruire leur force de frappe à savoir les motos et récupérer beaucoup d'armes. Donc, en quelque sorte, la situation, elle n'a jamais été vraiment euh, à Jamais. Il faudrait qu'on continue aujourd'hui encore à veiller et à donner les renseignements nécessaires. Cette fois-ci, moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est soulageant. On ne peut pas être naturel sur deux fronts, sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire. Ce qui était vraiment quatre morts, c'est aussi une peine, mais quand même, c'est une peine à moins de coups. Parce que ce n'était pas comme euh, la, dernière attaque qui a vraiment bouleversé même euh, Merci Issa. On va revenir vers euh, vous le temps de donner la parole à Rufai Dandoua. Rufai Dandoua, contrairement aux attaques d'Inates et de Shinagodar qui ont fait de nombreuses victimes au sein de l'armée nigériane, à où les terroristes ont subi un sanglant revers. Qu'est-ce qui a véritablement marché cette fois-ci selon vous? Euh, merci Mokhtar. Je pense que depuis un certain temps, on est dans euh, une euh, dynamique de, victoire, on est dans une dynamique de, bonnes choses depuis que le chef de l'État avait pris conscience de, l'ampleur de, la situation en changeant les responsables militaires, en changeant aussi les ministres de, la Défense. Et il y avait une nouvelle stratégie d'attaque, une nouvelle stratégie de guerre qui a été adopté. Je pense que quelque part, euh, le président devait ça à la, nation nigérienne et aussi sur le plan international parce qu'il avait fait de, euh, la lutte contre l'insécurité une priorité. Les Nigériens en avaient marre de voir des, dizaines ou des centaines de, leurs frères euh, tomber sur le terrain de bataille. Et aussi, avec toute cette histoire de détournement de fonds du ministère de la Défense, le président se dit il faut que je réagisse, il faut que je laisse quelque chose. Il faut qu'on sente que sur ce plan, sur ce domaine de, la de je fais quelque chose. Donc, sur le plan politique, il fallait frapper un grand coup. Et le président l'a fait. Et déjà en changeant de ministre de la Défense, en changeant de chef d'état-major et presque toute la hiérarchie militaire. Et aujourd'hui, ça va de pair aussi avec cette histoire de euh, d'audit euh, au ministère de la Défense. Et calmement, sans tambour le président a a, donné carte blanche au ministre de la Défense, va faire l'audit au ministère de la Défense. là, on a fait l'audit au ministère de la Défense. Les gens avaient crié, crié. Aujourd'hui, il y a quelques jours, le procureur est sorti pour dire que les résultats sont sur son bureau. Donc, je pense que euh, euh, sans crier gare, le président a, frappé plusieurs coups et aujourd'hui, il est en train de montrer que la stratégie a changé. Donc, on comprend aisément que même à l'époque, autant il y avait eu de détournement, autant il n'y avait pas une stratégie de guerre parce que aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a, euh, qu'on a eu beaucoup d'autres euh, nouveaux armements qui, qui, sont venus en dehors de, des hélicoptères qui étaient venus. Je pense que c'est avec ces points et qu'on est en train de, partir. Il a fallu juste euh, remobiliser les gens, il a fallu juste euh, redonner encore du courage pour dire aux, militaires nigériens et que vous pouvez le faire avec euh, l'appui de, nos voisins du Tchad, du Nigeria, de part et d'autre. Donc, quelque part, quand vous voyez les jihadistes et tout comme les djihadistes et Haram, ils sont acculés. Et nous, aujourd'hui, la tendance est renversée. Nous sommes dans cette position, dans cette dynamique de victoire. Et je pense que ça va, ça va continuer avec euh, déjà ce que Déby a fait, avec euh, l'intervention aussi, il ne faut pas oublier quoi qu'on dise, des forces extérieures qui nous ont toujours appuyés et c'est une euh, coalition qui est là et le courage de nos forces de défense et de sécurité. Je pense qu'avec cela, si on continue, euh, même si, comme l'a dit le président, le, Niger ne sera pas le tombeau de, de Boko Haram, peut-être ça va être le chat, pour ne pas ironiser. Je pense qu'on est en train d'enregistrer euh, beaucoup de victoires qui font du bien au moral du troupe et aussi à la population nigérienne qui avait perdu beaucoup dans sa chair et qui a soif de victoires, qui a soif de, la justice dans tout ce qui s'est passé. Et je pense que mm. le président, il faut, moi je pense que sincèrement, il faut le reconnaître. il est en train de réussir là où il y a quelques années, il a, il a, échoué. Merci Roufaï Dandoua, Alagé euh, Mohamedou Souleymane. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, une attaque a également eu lieu à Banibangou avec un bilan de deux gendarmes tués et des blessés et deux corps sans vie des terroristes abandonnés euh, par leurs collègues euh, dans leur fuite. Des poursuites ont été euh, engagées. Avez-vous d'autres précisions sur cette attaque Le communiqué précise que les poursuites qui sont engagées, presque l'ensemble des assaillants ont été neutralisés. Eh, on l'a dit euh, que effectivement, euh, on se rend compte à l'évidence que le changement de stratégie, eh, parce que quand même après après la rencontre donc euh, le sommet de Pau, on se rend compte que véritablement les engagements des uns et des autres sont tenus, sont respectés, et aussi la pression de l'opinion publique a aussi contribué à ce qu'on prenne en charge véritablement la question sécuritaire. on a vu euh, tour à tour, c'était des offensives euh, ciblées de, l'armée donc euh, en, collaboration ou bien en partenariat avec les, alliés qui véritablement se sont toujours soldés vraiment par des victoires intéressantes où on vient déloger l'ennemi là où il est parce que quand à un certain moment, à travers ce, ce forum, nous nous sommes de dénoncer que mais c'est quoi cette affaire C'est quand on vient attaquer les gens, on va chercher à poursuivre. Donc, mais on se rend compte que a renversé la tendance. Et ce qui fait justement qui donne du baume au cœur, euh, c'est une réalité. Euh, donc, euh, il faut saluer justement la nouvelle dynamique qui est là, la, la, victoire à cause certainement du contexte actuel de la maladie où le, FDS avait neutralisé les 63 donc, euh, terroristes, n'a pas été véritablement bien, je vais dire, célébré. Et je constate que, par exemple, euh, un des éléments du langage important euh, pour l'opinion publique, en tout cas nigérienne, vous voyez, lorsque les Tchadiens étaient en train de sévir contre Boko Haram récemment, quand on voit les matériels arrachés, quand on voit les corps des terroristes, des, terroristes exposés sur les réseaux sociaux, ça fait effectivement, ça convainc. Donc, quand me disent que le fait que Déby était venu, c'était médiatisé à travers les médias nationaux, internationaux, ça faisait effectivement, euh, ça fait paniquer les terroristes, que c'est comme effectivement Déby était là, à côté, il va prendre Chekao. Donc, ça, vous voyez, je veux dire qu'en réalité, il faudrait que aussi euh, chez nous également, qu'on puisse, euh, à travers les réseaux sociaux, en tout cas, lorsqu'on a des victoires de nos VRS, il faut reprendre effectivement leur victoire. Ça contribue aussi à renforcer leur moral et ça peut effectivement continuer à décourager l'ennemi. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est adressé aux Nigériens lundi 6 avril dernier à l'occasion de l'an 9 euh, de son accession à la magistrature suprême au Niger. Plusieurs aspects relevant de son programme de gouvernance, la Renaissance Acte 1 et 2, ont été évoqués par le chef de l'État dans un message à la nation. Euh, Rufai que faut-il retenir du message à la nation du président de la République à l'occasion de 9 de son accession à la magistrature suprême au Niger Déjà, je pense que euh, c'est un, discours fleuve une heure deux minutes. J'ai chronométré ça, c'est une heure deux minutes. C'est un message aussi sensible de, la population nigérienne parce que truffé de, de chiffres, euh, des chiffres qui seront pour la plupart difficiles à, vérifier. Je me suis demandé qui avait écrit ce discours. Parce qu'à un moment, c'est comme un discours radieux. Et quand j'avais entendu le président dire que je reviendrai l'année prochaine pour faire le dernier discours, je me suis dit alors qu'est-ce qu'il va dire l'année prochaine Parce que quand vous regardez, quand vous lisez le discours, vous allez comprendre que il a brossé tout, tout, toutes les neuf années. Ça veut dire que l'année prochaine, on va juste ajouter ce qui a été fait et cette année seulement et on va refaire la même chose. Ça devient de la redondance. Je pense que déjà, il y a, le président est sorti à deux reprises à l'espace de deux semaines ou à l'espace de dix jours pour s'adresser à la nation due au corona, euh, à cette maladie du coronavirus. Sortir encore euh, devant le peuple nigérien pendant euh, une heure de temps pour parler de de, pour ramasser tout ce qui a été fait, je pense que ce n'était pas opportun. Ça, c'est pour ce qui est de la forme. Pour ce qui est du fond, je le disais, il y a trop de chiffres, il y a trop de redondances, et tout ce qui a été dit l'année passée, ce qui a été dit l'année se, euh, passée, c'est ça que le président ramène. Je me demande qui écrit le discours du président. Est-ce que euh, ceux qui sont autour de lui relisent euh, le discours avant de le lui faire adresser à la nation je me, pose en tout cas beaucoup de questions. En tout cas, moi personnellement, j'étais devant la télé, j'ai suivi le président et ce qui je pas aimé d'ailleurs, c'est le fait que le discours est circulé bien avant que le président ne le, lise. Ça veut dire qu'il n'y a rien de confidentiel dans ce pays. Tout ce qui se passe, même au plus haut sommet de l'État, sort avant que euh, qu'il ne soit publié. Je me dis qu'il euh, faut que, ça change. Merci Rufai Dandoua, euh, Alagé Mohamed Souleymane. Quelle est votre opinion au sujet du bilan des neuf années de gestion du président Issoufou Mahamadou euh, Je crois qu'au début de son discours, euh, il a répondu au souci de Rufai lorsque lui-même il a dit que il aurait pu justement se passer de cet exercice compte tenu du contexte, mais il a voulu le faire parce que simplement, euh, vous savez, c'est comme un exercice démocratique euh, de vouloir rendre compte, euh, c'est un réflexe, j'allais dire, euh, démocrate. Mais est-ce qu'on ne peut pas soir à cet exercice du moment où il y a la maladie il a dit qu'effectivement, il aurait pu se, soir à ça, mais parce que quand même, il faut faire avec. C'est pas, c'est pas parce qu'il y a la maladie qu'il faut. Lorsque le FDS était allé son trois terroristes, on était justement sous, sous la maladie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir faire avec la maladie. Donc, le président l'a fait chaque année. Il faut s'en féliciter que, effectivement, qu'il ait le fait de, rendre compte de ce qu'il a fait. C'est très important. Plutôt de l'autre côté aussi, on aimerait avoir, comme le faisait à l'époque Omar il était euh, à, le contre-bilan. Il fait un contre-bilan, mais on se rend compte que depuis, ça n'existe plus. Donc, c'est-à-dire que c'est normal en démocratie vous rendre compte parce qu'en réalité, aussi les chiffres, ce n'est pas un défaut. Le président, c'est un mathématicien, il aime les chiffres, mais en réalité, les chiffres, ils importent et à l'opinion publique, je veux dire l'opposition, la presse, en tout cas les analystes, c'est à aller maintenant amener des, contre-vérités que le président a menti si, effectivement il a menti. Donc c'est dire que véritablement... Mais est-ce qu'il ne peut pas faire un discours destiné à la consommation du public, du bas public Vous savez... Euh, euh, les gens comme le président c'est comme ce que Machiavel considère parmi les différents cas des dirigeants, les gens qui font les choses par eux-mêmes. Il y a des dirigeants, euh, je veux dire que je n'oublie pas effectivement un gouvernement, un président a toujours besoin de conseillers, mais lorsque le président a le niveau, il peut se permettre certaines choses. Je suis d'accord qu'effectivement, en tant que journaliste, je serai dans la communication, je dirais qu'effectivement, ce docteur est fleuve. Et il faut le contextualiser pour éviter le redite, pour éviter en tout cas certaines choses qui ont été déjà entendues, déjà dites. Ça, c'est une réalité. Mais d'un point de vue, en tout cas, euh, en tout cas, tout simplement de la gouvernance, chacun a son style. Le président aime effectivement euh, faire des choses comme ça. Il aime les chiffres et il aime, c'est-à-dire que la constance, chaque année, il a fait un bilan et il trouve que c'est normal de faire, de, de, de faire, cela. Donc, bon, euh, de, mon point de vue, je pense que c'est un démocratique. Il importe maintenant à ceux d'en face d'apporter euh, la preuve du contraire. Issa Madougou, rapidement, quels sont les non-dits autour de ce discours bilan de neuf années de gestion du président Issoufou et qui mérite d'être connu par les Nigériens D'abord, le mandat. Rapidement, Issa. D'abord, je veux dire que le mandat présidentiel nigérien n'est pas de 10 ans. Issoufou est dans son deuxième mandat. C'est ce deuxième mandat, cette gestion-là, qui doit faire le fond aux Nigériens pas euh, un mandat jumelé. Parce que le premier mandat, l'acte de Renaissance Acte 1, c'est sur cette base qu'il a été relu en 2016. Pourquoi jumeler les deux, de bilans À force de, l'écouter, on a l'impression qu'on a une nouvelle constitution qui est en dehors de cette constitution de la 7ème République. D'ailleurs, ce, discours à la nation, ce message à la nation est inopportun. Il peut se soir à ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce message qu'on a l'impression qu'il ne parle pas de ce Niger à ah, écouter Issoufou aujourd'hui face à cette maladie de coronavirus, on pensait qu'il n'y aura pas de table ronde qui va réunir les partenaires techniques financiers pour demander de l'appui. Le Niger que Issoufou a peint dans ce message à la nation, ce n'est pas ce Niger-là aujourd'hui qui fait face au coronavirus, c'est un autre Niger. Troisièmement, pour dire tout ce que Issoufou a dit, dans un message à la nation, dit d'un coup de macroéconomie, donc qui ne relève aucune constance aujourd'hui dans la réalité des choses. C'est pour cela, moi, je me demande parfois, est-ce que à quoi jouent réellement les conseillers du président de la République Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce message-là, et bien avant le message que Issoufou avait fait, où il s'est adressé aux Nigériens par rapport à la maladie à coronavirus, où il disait que l'urgence aujourd'hui, c'était de nous concentrer et respecter les consignes. Ce message vient balayer tout ceci pour vous faire croire qu'il y a 9 ans de cela, que le Niger s'est transformé. Le Niger s'est transformé comment Un pays qui est dernier en termes d'IDH. Vers la fin du discours, il dit qu'il a, respecté tous ses engagements. Mais non, moi je pense qu'il faut se soir à ça. Il y a aussi des non-dits où il dit que euh, euh, il, va ne va pas se présenter. On est d'accord. Du moment où le calendrier de la CENI est bien connu, pourquoi ne pas dire qu'il ne va pas se faire donner la précision que le, même le parti au pouvoir qui a amené a déjà choisi un candidat tout ceci, voilà des choses que à une heure, une minute, une heure, deux minutes, ça euh, doit minutes, mais je sais que c'est un discours de 10, d'une de temps qui n'a pas sa raison d'être dans ce contexte de stress. Les gens sont confinés partiellement, les gens ont leur activité au ralenti, et on vient vous décrire que le Niger s'est transformé radicalement. merci Issa Madougou, merci. Pas sa maison d'être, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ça du, président Merci Issa Madougou. Nous sommes au terme de ce forum du Kalangou. Merci à nos invités. El Haj Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Au téléphone, euh, Roufaï Dandoua, journaliste freelance. Et au téléphone également Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs euh, d'Issidio studio Kalangou pour votre fidélité. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h euh, pour suivre le programme des jeunes du studio Kalangou sur nos radios partenaires. Il sera suivi du forum à Hausa et Anzarma. Merci, au revoir.